2024. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, Habiba Ahmed et Rukayetou Abderrahman. Comment tu vas, Ruki, ce matin Je vais très bien, Habiba, et toi Bien aussi. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nous débutons cette édition avec les flèches, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions, les sports, les lotis et de la musique 100% nigérienne. Dans la partie entretien du jour, nous parlerons de la drépanocytose et du test prénuptial avec la présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger, Madame Hima Fatimoto. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par, Moussa par Ayouba. Fidèles auditeurs, débutons cette émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Nefissa Adam Bonjour Nefissa. Bonjour Ricky, bonjour Habiba, ravi de vous retrouver pour ce numéro du flash d'information que nous débutons. Avec euh, cette information, le gouvernement du Niger a signé le 1er novembre à Niamey un mémorandum avec la société russe Glav Cosmos pour développer un système spatial en coopération avec le Burkina Faso et le Mali, deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel. Selon le journal Le Sahel, cet accord porte sur l'acquisition de trois satellites, un de communication un de télédétection et un radar de sécurité destiné à renforcer l'autonomie technologique et la souveraineté des trois pays. Adosso, la date pour la libération des champs au titre de la campagne agricole 2024 est retenue pour le 15 décembre 2024. C'était ce week-end au cours d'une réunion entre les autorités administratives et coutumières de la région, les responsables des forces de défense et de sécurité, les cadres techniques de la région de Dosso. Enfin, le Tchad a annoncé dans un communiqué le 3 novembre dernier l'examen d'un possible retrait de ses troupes de la force multinationale mixte FMM, le pays évoque, je cite, une absence de mutualisation des efforts au sein de cette coalition régionale contre Boko Haram. Cette décision intervient après une récente attaque meurtrière de la secte Boko Haram contre les forces tchadiennes à Barkaram de la province du lac Tchada. C'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci, bonne journée. Merci et comme annoncé en début d'émission, en entretien, nous parlerons de la drépanocytose et des tests prénuptiales avec la présidente de l'association d'élite contre la drépanocytose au Niger, Madame Hima Fatimatou. Et avant d'écouter la première partie de cet entretien, nous allons pour notre première balade musicale avec Feu Mahamadou Gao et c'est parti. na fara komi za ka yi ka ce alara bushe da komi. Allah ji ba mu tsare ba ni jori. Mai ba mutum ya ƙara masa jallaba kamata yi. Allah ji ba mu tsare ba ni jori. Yau gana lilwar haɗan malam mijin bari'a. Allah ji ba mu tsare ba mani jori. Yau gana gyambala mai gana bubu hamma ya zo. joji mai daraja dan hamani na zo. Wata gamsu yayyaban annabi ne ya ba majori. Mita lawali na alhaji kuma ahiri na jori. Duniya zan yi ba a mai da gwamnati ta makar ka gwamna jore kuma ba a mai da farati ta makar yana ka jore ilawane na lalle jori an na fari kuma jori ne na karshe mai gara na jori mai bambu mai gidan igwala makiyanka su da nijar hala abadin su komo haba ku saki dingiwa inda mun ka taso don ta wuce hako tarko baya kama giwa. Mahamadou Gao était un poète originaire du village de Gao dans le département de Filengue, région de Tilabiri. De son vivant, il vantait les mérites de la coopération entre le Niger et le Nigeria, présentés comme deux jumeaux condamnés par la géographie et l'histoire à travailler ensemble. Cette chanson du répertoire inépuisable du feu Mahamadou Gao que vous êtes en train de kiffer parle de Diori Amani. L'artiste présentait le Niger comme le meilleur pays où il fait bon vivre à l'époque.

yanzu zamanin alhaji dan amani jore mun samu gadon karfe man talatare ne da shimfidar karen miziki har da tura haushi. Kai yanzu zamanin alhaji dan amani jore gargal iri iri. Dishe iri iri. Sabuni iri iri. da mai Maryam sun cike da kamshi yanzu mai ramaje. Yanzu zamanin alhaji ɗan amani dole mun wadata mun samu tufa ga zamani ne. Sai kwala da singon bambam da gora banza.

ya taimake mu Allah ya taimake joyi. Kada wuri rijiyoyin mu na can kasar filinge ko an gina gaba hamsin ba su yin ruwa. Yanzu gaba Chers auditeurs, retour au studio pour écouter la première partie de l'entretien. Madame Hima Fatimatou, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger, parle de la leur engagement à sensibiliser les jeunes à faire les tests pré-initiales avant de se marier. Et le micro de Adam Adawaki. Euh, cette association a été créée en 1996, mais elle a reçu son agrément en 1998. Donc nous exerçons depuis 1998 nous, nous, sommes les premières associations de lutte contre la drépanocytose au Niger. Notre travail, c'est surtout la sensibilisation. Nous faisons de la sensibilisation euh, auprès des parents, auprès des jeunes, auprès des malades aussi, même auprès des malades, on, leur explique qu'est-ce que c'est que la maladie, comment ils ont pu attraper la maladie, parce qu'on ne peut pas attraper la maladie si les deux parents ne portent pas le gène drépanocytaire. Donc nous expliquons tout ça là, parce que nous avons rencontré des couples qui ont, parce que nous faisons aussi le counseling. Le counseling, c'est-à-dire discuter avec les parents pour qu'ils connaissent la maladie, pour qu'eux-mêmes, s'ils ont un enfant drépanocytaire, que, il faut qu'ils sachent quel genre de drépanocytose ils ont. Parce que pendant, notre, pendant tout ce cycle-là, nous avons rencontré des couples qui nous disent que, le, le père euh, dit que lui, le mari dit que lui n'a pas la maladie, il n'a jamais fait la drépanocytose, c'est toujours la mère qui a donné la maladie à l'enfant. Alors que euh, nous sommes à plus d'une décennie de sensibilisation aujourd'hui. Et Madame la Présidente, euh, quelles motivations vous ont poussé à prendre la présidence de cette initiative, c'est-à-dire euh, sur le dépistage avant le mariage eh ben, parce que même moi, j'ai eu un, euh, enfant drépanocytaire. Et effectivement, quand j'ai eu cet enfant, c'était mon deuxième enfant, quand je l'ai eu, je ne savais pas que moi-même j'étais drépanocytaire et que mon mari aussi était drépanocytaire. Nous sommes tous des drépanocytaires AS. Sans le savoir, à notre époque, euh, mon enfant drépanocytaire, il était né en 1979. Donc, euh, quand j'ai su qu'il était malade, donc je me suis investie dans cette association pour pouvoir sensibiliser les familles, pour pouvoir sensibiliser ceux qui ne sont pas encore mariés, de prendre toutes les dispositions pour pouvoir éviter et de mettre en couple deux personnes porteurs du gène. Parce que dès qu'ils sont porteurs du gène, ils vont avoir des enfants qui seront porteurs du gène. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. On ne peut pas être drépanocytaire tant que les deux parents ou un parent ne porte pas le gène de la maladie. Effectivement, madame la présidente, comment pensez-vous que le dépistage avant le mariage peut transformer la manière dont les couples abordent leur avenir ensemble eh bien, nous faisons beaucoup de sensibilisation justement envers les jeunes pour qu'ils fassent le dépistage avant le mariage. Quand le couple fait le dépistage avant le mariage, chacun connaît son, son statut. Donc, s'ils sont tous ASAS, nous leur conseillons d'éviter ce mariage. Et nous, nous faisons ce conseil très souvent avant que les deux jeunes ne soient engagés. Parce qu'une fois qu'ils sont engagés, ils ne peuvent plus revenir en arrière, donc ils seront obligés de faire le mariage. Et ça peut être des mariages à risque. Parce que s'ils font le test prénuptial avant le mariage, chacun sait que son statut et puis il sait à quoi s'en tenir. Même s'ils sont AS, AS ou SS et AS, même s'ils euh, décident de se marier, mais qu'ils savent ce qui les attend à l'avenir. Pouvez-vous partager des exemples concrets des cas où le dépistage a eu un impact positif sur des couples que vous connaissez Effectivement, je prends le cas de mon propre fils. Heureusement, il est AS. Mais quand il voulait se marier, ben, j'ai demandé à ce qu'il fasse le test avec sa, avec sa copine et ils l'ont fait. Heureusement, sa copine, elle est AA. Maintenant, ils ont deux enfants qui sont sains. Je ne peux pas admettre quand même encore d'habiter chez moi des enfants drépanocytaires parce que je connais les conséquences. Mhm. quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour sensibiliser les couples qui aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, euh, refusent d'accepter de faire ce, test préinitial donc, euh, moi, jusqu'à présent, on n'a pas rencontré des couples qui refusent, mais nous avons rencontré des couples ignorants qui ne savent pas qu'il fallait faire le test prénuptial. C'est ça le problème. Donc, euh, jusqu'à parce que, vous savez, le Niger, il est très grand. Nous sommes à 26 millions d'habitants. Depuis ce temps qu'on commence à faire la sensibilisation, nous faisons la sensibilisation dans les radios communautaires, nous faisons la sensibilisation dans la télé, nous faisons la sensibilisation de porte en porte, nous faisons la sensibilisation de toutes les manières. Mais il y a encore, jusqu'à présent, des gens qui ne sont, qui ne sont pas conscients qu'il faut faire ce, test prénuptial avant le mariage. Avant de poursuivre cet entretien, un autre tour à musique avec le titre Akokas chanté par le feu Abdellah Umbagou. de cette figure emblématique Touareg parle du Ténéré qui est une région hyper aride de plein sablé située dans la partie sud du Sahara, là où l'artiste a pu visiter tous les coins de ce vaste espace vide. Bref, Habiba, il chante toute la beauté du Ténéré. L'artiste nous a quitté le 4 janvier 2020 à Agadez, mais ses œuvres restent immortelles. Après cette belle mélodie, nous allons pour la deuxième partie de l'entretien. Madame Hima fatimato évoque que malgré leur sensibilisation, beaucoup de jeunes se marient sans faire ces tests malgré son importance. Elle est toujours au micro du Adam Adawaki. Quelles sont les raisons que ces gens-là avancent euh, pour euh, ne pas faire euh, cet esprit nuptial C'est l'ignorance de la maladie. C'est une méconnaissance de la maladie. Ils ne connaissent pas très bien la maladie. Après nous, il y a eu plusieurs associations de lutte contre la drépanocytose qui continuent encore la sensibilisation. Mais avec tout ça, il y a des, il y a des gens qui nous échappent, qu'on n'arrive pas à sensibiliser et qui se marient sans faire le test. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, chaque 5 heures, on recrute un nouvel drépanocytaire au niveau du centre drépanocytose, toutes les 5 heures. Il y a un, nouveau qui vient d'arriver, qu'on vient d'enregistrer. Comment vous avez surmonté ce, problème et vous continuez aussi à les surmonter parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a des familles ou bien des couples ou qui ne sont pas conscients de l'importance de ce test prénuptial. Ben, on continue toujours la sensibilisation, on n'est pas fatigué puisque nous, nous vivons ce calvaire avec nos enfants drépanocytaires, Donc, on veut éviter à des familles de vivre le même calvaire, le même problème. Donc, euh, nous continuons toujours les sensibilisations, même au niveau du centre drépanocytose. Nous, nous, sensibilisons même les familles, les malades. Nous sensibilisons les jeunes. Nous, nous allons à l'université. Nous faisons des sensibilisations dans les collèges, dans les lycées, dans les, au niveau des centres des jeunes. là. Partout où il y a les jeunes, nous continuons les sensibilisations. Nous faisons, pas seulement ici à Niamey, dans les régions, même dans les régions. il y a des journées qui sont dédiées à la drépanocytose le 19 juin ou le 10 mai. Nous recrutons même des jeunes conformes qui font même des portes à porte, qui viennent dans une famille discuter, les sensibiliser donc nous avons plusieurs manières de sensibiliser les familles. On va même les sinistrer là, des inondations, on va les trouver jusque dans, sur les sites, sur le site pour discuter avec eux. Donc partout où ils sont, non seulement nous, nous ne pouvons pas atteindre tout le monde, mais nous, nous formons, par exemple ici à Niamey, toutes les, tous les CSI, les centres de santé intégrés, nous avons formé les communicatrices de ces centres intégrés et nous travaillons avec elles, qui deviennent des agents relais, qui nous relaient pour vous dire que nous savons que nous-mêmes, on ne peut pas atteindre tout le monde, mais on est en train de trouver des stratégies, plusieurs stratégies. Parce que dans ces CSI-là, il y a les mères qui viennent, il y a les parents qui viennent, et ces, femmes, les communicatrices de ces CSI, elles nous prennent le relais avec des affiches, avec du matériel, des outils à la base pour pouvoir encore sensibiliser les gens. Donc, je vous dis que les journées dédiées à la drépanocytose, par exemple à Tilaberi, nous avons recruté les scouts, les jeunes scouts. Nous les avons formés et ils font même de porte à porte toute la journée. Une estimation des chiffres de, ces jeunes là que vous avez. Que nous avons formés. Nous avons formé plus de 70 rien que pour Tilaberi, la commune de Tilaberi. Et la journée là, ils ont rencontré plus de 2000 familles. Ils viennent en famille, ils discutent, ils leur expliquent qu'est-ce que c'est que la maladie et pourquoi il faut faire le test prénuptial. Vous voyez. En quoi la sensibilisation au dépistage avant le mariage est-elle cruciale dans notre société aujourd'hui Mais elle réduit le taux de, de malades drépanocytaires. Parce qu'une fois que les gens sont sensibilisés, ils connaissent leur statut. Donc, ils évitent des mariages entre deux personnes euh, qui ont la drépanocytose. Ça réduit. Donc, on, ne peut pas avoir d'enfants drépanocytaires. Mais une fois qu'on ne connaît pas son statut et qu'on se marie comme ça au hasard, c'est pour encore euh, pour, propager. Euh, propager. la maladie pour que les enfants drépanocytaires se multiplient. Donc nous, on est là pour la réduction du nombre de drépanocytaires. Madame la Présidente, comment voyez-vous le rôle des familles dans la promotion du dépistage avant le mariage et comment pouvez-vous les impliquer davantage Les familles doivent elles aussi agir sur les membres parce qu'une personne qui est sensibilisée, elle doit sensibiliser le, reste des membres de la famille pour que chacun sache qu'est-ce que c'est que la maladie et comment faire pour éviter cette maladie-là. Quelles sont les stratégies ou initiatives envisagez-vous pour euh, toucher un public plus large et encourager les couples à faire le dépistage. Nous utilisons surtout les radios communautaires. Nous avons même une convention avec la radio Goudel. Ou quand on va à la radio Goudel, nous, membres de l'association, nous faisons des séances avec, euh, avec des contributions en direct des, euh, des, auditeurs. Interaction, oui, oui. Nous faisons ça avec la radio Goudel, nous faisons ça avec la radio Scout de Kouartegui. Nous avons utilisé beaucoup la radio Kalangou. À part ça, je vous dis qu'on fait, on fait des séances euh, de porte en porte, on fait des séances par groupe, on fait des séances par village, par quartier. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire et comme chaque lundi, nous donnons la parole aux juristes pour nous entretenir sur des questions de droit au Niger. Aujourd'hui, le thème abordé est la non-assistance à une personne en danger, n'est-ce pas Habiba oui, Ruki, la non-assistance à personne en danger consiste à s'abstenir de porter secours à quelqu'un qui est en détresse. Aux yeux de la loi, l'omission de secourir une personne courant un danger est une infraction. Pour plus de détails sur le sujet, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachir. On l'écoute. Qu'est-ce qu'on entend par la non-assistance d'une personne en danger C'est lorsqu'une personne peut secourir euh, quelqu'un qui court un risque pour sa vie et qu'elle n'intervient pas. Donc, cette personne euh, peut être poursuivie devant un tribunal. Mais ce qu'il faut retenir, il faut que cette personne qui souhaite assister l'autre personne victime l'assiste en ne mettant pas lui-même sa vie en danger. Donc il ne faut pas oublier que c'est une infraction pénale. Donc euh, l'auteur euh, peut être poursuivi devant les juridictions compétentes pour euh, cette infraction. Quelle est la nuance entre la non-intervention et l'omission de porter secours La non-intervention se réfère au fait de ne pas agir pour empêcher la commission d'une infraction ou pour porter secours à une personne en danger. Si on se réfère aux faits donc, qui sont passés entièrement relativement à la jeune dame donc, euh, qui a été victime de viol et après d'assassinat, on peut... Euh, vraiment dire que l'autre personne, si euh, vraiment il est informé que le monsieur voulait aller commettre euh, cette infraction et que lui, en connaissant que cette personne voulait aller commettre euh, cette infraction et il l'a pas arrêté ou il l'a pas empêché ou il n'a pas informé les autorités, on peut le considérer comme complice de cette infraction, du fait de son inaction. Vous pouvez être aussi poursuivi pour complicité. Pour ceux qui de la non-assistance d'une personne en danger ou l'omission de porter secours concerne le fait de ne pas porter assistance à une personne en danger. Alors qu'on a la possibilité, donc euh, en vertu des textes de loi, il est obligatoire de porter secours à autrui sous peine de sanction pénale. À résumer cette nuance, pour la non-intervention, ici déjà la personne est déjà informée qu'il y aurait cette infraction, donc il est complice là, il sera poursuivi pour complicité. Pour ce qui est de la non instance d'une personne à danger, ici, vous êtes en train de vivre la situation au même moment qu'elle est en train de se commettre et que vous n'intervenez pas. Ou bien vous ne portez pas secours ou vous n'appelez pas au secours. Vous êtes sur place de l'agression et vous ne faites rien. Vous devrez aussi être poursuivi. Voilà, après la rubrique hebdomadaire Ruki partons encore en musique, mais changeons de rythme de la guitare à l'orchestre Gumbé Star de Maliaro. Voici pour vous les titres Armé Kayo. Dans cette chanson, l'artiste chante l'ancêtre des armes malibéraux. Évidemment, il chante le courage de ce guerrier redoutable, de sa lignée et comment il a régné au sein de son empire. Un coucou à l'endroit de toutes les femmes de Maliar. kurkuku ta maliya zai zan kawa cikin yi mai maliyan kwa ili sun fito su zai ta dole sero malilin ya gisa ana fo haibirira ta zai kan gabo surgu kwari ceki ikon kwara da hana maligi ma da da malilin kuma sai su ku malilin da ba ta malilin da ba ta akɔ so Voilà, chers auditeurs, pour l'écho des régions Cap sur Maradi, capitale économique du Niger, En raison du manque de sang à l'hôpital de Tessawa, le groupe de jeunes de Tessawa a organisé une collecte de sang afin d'assister les personnes dans, la, dans, les besoins. Écoutons le reportage de Ilia Moumouni. yanzu haka da kungiyar matasan da'irar tesawa ta gudanar da wani kokarin bayar da jini a cikin babbar asibitin tasawa ali musa shine shugaban kungiyar ta matasa na da'irar tesawa ya bayyana mu dalilin wannan aiki nasu abin da ya samu ka kaddamar gaba da jini Eh, kira ne na gaggawa muka samu wajen mai martaba sarkin tasawa wanda ya ce shi da kan shi ya yi asibiti ya ga mutane suna ta fama wajen neman jini wasu su kwana biyu su kwana uku samu jini ba suna ta neman duniya ba su samu ba kuma pancreas din babu idan a musu warware matasa da suka amsa wannan kira sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka To sunana Zara Usraji nan gindawa. To na zo na ba da jini ne saboda yan uwa mata masu bukata. Za ka ga wata ta haihu ba ta da jini kuma da yara kanana wanda suke da ba su layya kuma ba su da jinin da za a ƙara musu. In ka ba da jini kai ma zai ma rana tunda in ka ba bada kana da lada kuma kai ma wata rana matsalar nan tana iya faruwa kanka. Sunana Usman, na ba da jinin nan ne dai a taimaka masu eh, bukata. kenan muna kullun jan hankalin mutane ya kamata a dinga zauwa ana ba da jinin nan saboda taimako ne ake yau gare ka gobe ga dan uwanka ne ba tun yau ba dai al'umma ke shan wahala haikan wajen neman jini musamman idan aka daro a babbar asibitin tesawa galibi ga mata da kananan yara Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure du sport. Nous sommes avec notre chroniqueur sportif du jour, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Roki, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Bonjour. Gourouza Dosso se prépare pour la 45e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Oui, le gouverneur de la région a mis en place un comité d'organisation qui va gérer l'événement le plus populaire au Niger. Le comité a la lourde charge de bien préparer l'hébergement, la restauration, le transport, la santé et autres sollicitations. Les autorités sur place entendent faire de ce championnat une réussite. C'est pour cette raison que le premier responsable de la région a exhorté qu'il faut mettre les hommes à la place qu'il faut. Notons que la 45e édition du Sable national va se dérouler du 20 au 29 décembre 2024 à Dosso et que c'est Toussou qui, qui détient le sabre actuellement avec Isaka Isaka. Gourouza, les derniers tours des éliminatoires du champ 2024 a eu lieu week-end sur les différents stades africains. Oui, Abiba, neuf matchs sont au programme pour ces retours de ces éliminatoires zonales. On va commencer à tout honneur, tout seigneur. Nous allons commencer par la zone UFOA B qui concerne le Niger. Il a eu une seule rencontre dans cette euh, zone fois B, Bénin-Togo qui s'est joué hier dimanche au stade Félix Oufet Boigny de Côte d'Ivoire. Le Togo et le Bénin ont fait match nul, un but partout. Mais grâce à 2-0 du match aller, le Togo a eu son billet pour le second tour où son adversaire sera le Niger. Toujours pour le second tour, la Côte d'Ivoire sera face au Burkina Faso, le Nigeria défiera le Ghana. Le Sénégal tenant du titre épargné du premier tour aura comme adversaire le Libéria. Les matchs allés du second tour vont débuter du 20 au 22 décembre 2024 et les phases de retour commenceront du 27 au 29 du même mois. Voilà pour le sport. Merci Grouza pour, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Ruki, il est temps pour nous de découvrir notre star du jour. Oui, Habiba, elle, c'est Hadiza Salifou, une formatrice de jeunes filles en couture et plusieurs autres activités génératrices de revenus. Son objectif, c'est d'apprendre à ces jeunes filles d'être autonomes financièrement. Oumou nous dresse son portrait. muna cikin cibiyar koyar da aiki na mata da 'yan mata ta ibadar haman inda mun ka iske hadiza salifu shugabar cibiyar tare da waɗanda take koya ma aikin hannu suna tsakar aiki cibiyar da an ka kaha tun shekara 2010 ga bayani ta yadda ta fara wannan aiki na fara aikin nan yau ina da kusan shekara ashirin da bakwai nake cewa ina cikin wanga aikin dai da nake yi na kai na haka na fara da salon de kwafir ina cikin salon de kwafir kin ina yin wani caji muna yin kuma shine salon de kwafir na farko wanda aka fara budawa wanda da sunan musulunci wanda ba a aiki da duk abun da yake na haramun ne wani mesh wani abu duk da ya zama na kari ne ba a yi kuma in amarya ta yi armi da muna zuwa ne sai bayan ko an kai amarya za mu keɓewa da amarya a nan inda an ka kai ta mu biya da kaya ƙananan kaya da miji bai taɓa gani gare ta ba kwalliya masha allahu yadda miji in ya shigo ma bai ya iya gane ta tun kame wannan mai kwafkin ya zo mu da haka muka fara masha Allah. Halima da Fatuma sun samu ilimi cikin wannan cibiyar koyar da aikin hannu suna alfa'ari da karuwar da sun ka samu domin suna samun bude bukatunsu. Hajji Hadizu Gobe samun sai ka dirko da min masu fura hunkunin nirkawa ya dullura. Irsu kai kai ba kuddo ga haifo dai ba foga hun. wani ni hiniyan iri wani matkar ga tegir kurnya berandi matkar ga yi salan ir kurnya sai iri wani matkar ga tegir warin fuwaira irwa wani kan mugoyo kwan iri gogo na zama hun mu mi te ni ba ko se mun ne min da fe ni su kai kai bor fo bu mu son ko mun bora bora min kaina mun ne di borgo su bai da dalay su follon si borse amma hala koy kaina min di fila bor fo kan ni turan ne ba turaran wutu ne ba savon ne ba yakin ne ba alhamdulillah wani matkin te gor fo yaro alhamdulillah kurin ye bumbo goga sabu fa wallahi go sabu zamidi barmayya an ga alhamdulillah wallahi Yalwa kai masha Allah wallahi yalwa sabu waye ibad rahman wa sabu hajja hadisi. Nodi ne ni goyo dondon ga san mu goy koyin. Nongu hinka nongu fo mu koyi ce hinza nongu fo ai mu koyi ce hinka kan ba si fu wana mu kan igiti. Dai tun fu igiti safu ne yan giyan turare yan hargu kwayi yan tayan masha Allah wallahi yi ni kwari yan bai mu kai idun yara bumbu ai te yan ai mun bai ma ba i e mayo bumbu no ai bai gi da ni da kala ran bono go hal kwari yan gon mu sa ko ai mu ko ira wallahi abin di ba draman sabbu sai kwari kan ai dirin nijer wura sun da me wallahi eh wallahi ka dai in dai koyi hajiya hadiza ta yi taimako da dama bisa kan ci gaban mata da yan mata bisa ba da ilimi ayyukan hannu da ta koya musu tare da yadda mace za ta yi ta zamna cikin ɗakin ta na arme ni na samu alheri alhamdulillah tunda na samu yabo da yawa ga mata masha allahu yau mata sun kama jikinsu biye mil disnef zawa yanzu ya kai mace dubu biyar da na yi farwe babu ranar da dala bai shigo miki kin iya wannan kin iya wannan kin iya wannan yau ni alhamdulillah na gode ma allah dukkan lakwal ita bata huce sai ba amma yau a cikin aikina na hannu na gode ma allah alhamdulillah ba fariya nake ba amma a takaice na ga ɗakin kama so uku na kai mata mahaifina na yi mishi hashi na kai uwa da ta rike ni kaunar mamata da ta rike ni na yi ta yi na yi gida kala wani karamin ma'aikacin gwamnati ba zai iya shiga ba na canza mota yadda nake so alhamdulillah bouclons notre playlist avec les titres Gozombori de, de l'orchestre Touboledos. Gozombiro, Gozombiro <laughs> I'm Kuzambiro. <laughs> What's a miracle? bane da the Bizim sütümüne söyle gözüm bir Ami du sei di dinosaur L'homme numéro de la face de l'autre Et clavier Mon docteur eh, eh? Soumane Yeye L'homme de l'humanité Né de l'humanité Grandi de l'humanité direct Au cœur Monsieur Issa du Petit et Mademoiselle marie Seduya et américaine. À la technique, le grand frère moniteur l'homme infatigable, l'homme bien par le courage. le campagnard. Dilom de Gossambiro, descendant Nima Maïga. Le nom des guerriers, l'ennemi des sorciers. L'enfant noir n'aime pas le peuple. Le petit messager des jeunes. L'enfant chéri de la musique moderne nigérienne. Sans oublier ma Papa l'enfant qui contrôle la situation. Allez, guitare solo, mon matin, maman. Makolo dialoga. Le film a Petite titre de l'orchestre Toubal de Dosso, Habiba, on passe à la chronique Loti du jour. Oui, Ruki, dans la chronique Loti de ce mardi, nous parlons d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui ne dit pas son nom, par certaines enseignantes bien sûr, pendant les heures de classe. Oui, Habiba, en effet, c'est un constat qui montre que les élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Ce acte est, une faute grave selon les textes de la direction régionale, de la direction nationale de l'éducation. Écoutons Rekia Arimi et Samira Rouafi affairage, affairage, affairage, affairage. Regarde-moi toutes serrature. Ces enfants vont finir par me donner une crise. Coq, coq, y a quelqu'un Oui, entrez. Hé, eh, madame la maîtresse, bonjour, comment vas-tu hum, J'irais mieux si seulement ces enfants n'étaient pas aussi distraits. Regarde ces cahiers, j'en ai vraiment assez. Mais ma chérie, pose-toi la question d'abord. Cherche à savoir pourquoi tes élèves se comportent ainsi. Mais c'est évident. Une fois à la maison, leurs parents ne les surveillent pas assez qu'ils fassent leurs devoirs de maison. Parce que moi, je dispense bien le programme. C'est facile de jeter la faute sur les autres, n'est-ce pas Bref, ce n'est pas l'objet de ma visite. Je ne suis pas ton conseiller pédagogique. Toi, dis-moi ce qui t'amène dans ma classe. Voilà, j'aurais appris depuis la rentrée des classes que tu envoies des élèves chez toi pour qu'elles te fassent le ménage. Oui Mais où as-tu appris cela Attends, laisse-moi finir d'abord. Il paraît même que tu fais du commerce à l'école. Tu envoies tes élèves vendre des amuse-bouches aux élèves des autres classes. Cela les perturbe aussi. Laure, de quoi tu te mêles Ce que je fais dans ma classe ne te regarde pas. Et puis c'est à l'heure de la récréation qu'ils me font mes petites commissions. Parfois même c'est à la sortie de l'école. Donc en quoi cela perturbe leurs études Tu es gonflé, hein et s'il leur arrive un accident sur la route, qu'est-ce que tu vas faire Rien ne va leur arriver, Inch'Allah. Tu sais que j'habite juste derrière l'école et le ménage ne prend même pas du temps. Tu commences vraiment à m'agacer. Pour ton information, les textes de la Direction nationale de l'enseignement primaire a interdit à quiconque d'envoyer un enfant en dehors de la cour de l'école, même si c'est à l'heure de la récréation. C'est une faute grave, une atteinte au droit à l'éducation des enfants. C'est aussi une forme d'exploitation d'enfants. Qu'est-ce que tu me racontes là encore Tu veux dire que je pourrais être renvoyé Hé, eh, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je te dis de faire attention et faire correctement ton travail pour ne pas te créer des problèmes à l'avenir. Imagine si l'inspecteur ou le conseil pédagogique te faisait une surprise au moment où ses élèves ne sont pas en classe. Je n'ai pas vu les choses sous cet angle. Vraiment, je voulais juste me faire un peu d'argent des poches. Les temps sont durs, tu le sais. L'État ne te paye pas. L'État te paye et il le fait pour que tu donnes du savoir à ses enfants. Il est de ta responsabilité de veiller à ce qu'il ait un bon rendement scolaire, mais pas que tu sois celle qui les fera échouer. <laughs> Mais que dois-je faire maintenant Arrêtez tout simplement. Imagine si l'enseignante de tes enfants leur fait pareil. Quoi Elle n'osera même pas. Je vais la convoquer chez le directeur. Ah, tu vois ce que ça fait, non J'ai vraiment compris je vais aussi attirer l'attention de mes collègues. Bon, maintenant que ta petite entreprise va faire faillite, passe-moi ces biscuits, je vais amuser un peu ma bouche. <laughs> Tiens, sers-toi, je distribuerai les restes aux enfants aussi. Hmm, en plus, c'est délicieux. Hein. C'est combien ton dernier chiffre d'affaires même <laughs> C'est juste pour savoir. Laisse-moi Merci aux desk femmes du studio Kalongo. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Samira Omoro qui va nous expliquer l'expression bon sens. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show culture linguistique. Chaque 4 novembre est célébrée la journée du bon sens. Nous allons voir ensemble les contours de l'expression bon sens. Bon sens en anglais veut dire common sense. Common sense is the ability to think and behave in a reasonable way and to make a good decision. Le bon sens est la capacité de penser et de se comporter de manière raisonnable et de prendre des bonnes décisions. Prenons des exemples. She is very smart, but she doesn't have a lot of common sense, qui signifie qu'elle est très intelligente, mais elle n'a pas beaucoup de bon sens. Obey the laws and use common sense when operating your boat. That means in French, respectez les lois et faites preuve de bon sens lorsque vous conduisez votre bateau. There are many ways to celebrate Common Sense Day. You can hold a meeting at work or school to discuss common sense solution to everyday's problems. You can hold a meeting at work or schools to discuss common sense solutions to everyday problems. You can also have a family discussion about using common sense, or even start a social media campaign to encourage others to use their common sense. Cela veut dire qu'il existe nombreuses façons de célébrer la journée du bon sens. Vous pouvez organiser une réunion au travail ou à l'école pour discuter de solutions de bon sens aux problèmes quotidiens. Vous pouvez également avoir une discussion en famille sur l'utilisation du bon sens ou mener une campagne sur les réseaux sociaux pour encourager les autres à faire preuve de bon sens. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira, chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages, écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. kira mtu ya haya club de kut sai a wana presidentu irga wat kul kan no studio la kalambu langa kirga ma sanne kan irga da lokaci to irga hangani wat kul kan cine igno labari labari tabbatan tani igno koi ne ganda kul kan ra'i furu ka dai dici nongo kan hayago wite iman boreno hankan gano fanda kan gana bor mu koi din bose din tun din mani yarda din kwai ni ko kwai kidi kan hayadin atte dai mun insha Allah wadin sano wallahi wanda labarai daga akanjirsi zama kini no sanu wani ga yani ga sanu kulki bar mai afallon ka ni no isi da kaga isi ga zaga jire kin ba su jire sun kufa a talata hana su jire ki gite wai bore bon fira din bon dan ir wai bore ir no goga bafune da zanki Imar Maryama Amadu IOAT dan tunane wasai. Wallahi studio kalangu labarai igogo bori gomo zami go kanno borai sai bon ferai. Ali met an dunya te diro go te da man kan mono borai ginga ba funa hansanda. Igo kanda borai se igo te bon ferai gum go borai go gi hanga igo du bon ferai. Warai ga ma labarai kan go zurgo windi kimonai. da tare ga yau hali ga hayata ga kontrole ga dino wato ga yim kaga di fi se borais bara kin qayngo kim goton ton da ihim goton ton ambori surtu borai ba funa bohara hara iru wai borai zamir wai borai irin go bi gumo in borai bo ngai feri man kan borai gite ga gorin ngai din ga wana ba funa te da ambori janga education odohara hara bat kan borgi te ni faya din wani zankai ni mu duga. ko a tambori. Eh, musa wuji ne ma ai ko mai sannan kan ga kolkoti and jiya ne eh, ah, ya sai Ai godu bon fe kim kim kim kim gum gum lam labar da bayan kulin ga ma rajo fo ba mayo ga ngene kadde da kalan ga ne dugi hanga mm, din ni hanga mo igam igama ibobo ba kan fo afo mu iswasi ga kande ma prega ko ga ma ga ju fo hinka ga ma kan ai ga ba gungumo surtout france ki ne weekend kan no daga faransa ta labarai daga ba dato lendi wal mardiyan igin kiba wasu zukan no weekend wani igi samise in mo imu dugu faham da boy kansu ma faransa kina imata zamsan da kin oh, ngudin da yau gaba gungungumo Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées des questions, des suggestions, tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nana na ɗauki hanya kuma hanya ta makanda garbai ya kulsin da kwamto daga wani dan ba zaba me ana ce mai kudi zai na te mai hai kudi zai garbai ya kulsin da kwamto a nai sai duba gara no ga kanu nai sai duba gara no ga kanu na duba gara no ga kanu na jo kulsin da kwamto a nai sai damu no ga kanu nai sai damu no ga kanu ಧರ್ಮೈಗನಾನ ಈಗ ಪೌರ್ಣದೀವಿಗ ಧರ್ಮೈವುಗನು ಮಲೈದು ಹೋಗ ಧರ್ಮೈಗನಾನ ಈಗ ಪೌರ್ಣದೀವಿಗ ಧರ್ಮೈವುಗನು ಮಲೈದು ಹೋಗ ಮನ ಪುಳು కమ్మాయో మాసి కదీజ వాళ్ళ కమ్మాయో మాసి పాచి దీనైతే సూగినోరు అమ్మినోరు బగర మోతో హింద ఉండు బొండు మోతో హింద సిగాదగ కాసు హింద ఇమా కాసుం ఇమావా ఇమహన్నగయేత హింద ఇమా కాసుం ఇమావా ఇమహన్నగయేత హింద ధర్మై గలాల ఇద పోరున్న దీవిగ ధర్మై వగాను బల్లై దొంగోగ damai ganala ida boru gatini damai wagano balai do gogado ai baba na zarmawa ai mo balle kai na nandi zarmai ai kai yanno zarmai ba ga yanno e ai gito nya daino dine karmo ihau zama kai ti ha magokko akurin ya hanna daino aga zano ga hampa ihin ka ton magana agagano gahampa ihinga gormaga darmai hmm? ganana ida porna dimiga kai darmai ganana balai no goga warai darmai ganana ida porna dimiga darmai hmm, hmm, wagano balai no goga corre, corre, corre, corre. Tata Paramaba. chanson de Abdou Salam qui prend fin à notre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, c'était Rukayat Abdrahman et moi-même Habiba Ahmed. L'édition a été assurée par Adam Adewaki la technique par Mustafa Ayouba. C'est un immense plaisir de passer une heure avec vous, chers auditeurs. On se dit à demain, mais en attendant, bon après-midi à tous.